Soyez bienvenue à notre autre épisode avec notre pasteur Koumoui, Jessica Quotidien. Là, nous allons visiter la coussade euh, avant qu'on a fait. On voit là où que notre prédicateur, pasteur Koumoui, qui a fait plus de 50 ans de prédication, il a fait, il a fait de grands jeux. On aura le salut. On peut dire qu'en regardant l'épisode, vous aurez une nouvelle vie. Alors, je veux que on rentre là-bas pour voir ce que Dieu veut. Je veux, vous allez. Il faut toujours penser que vous êtes vraiment enfermé. Et cette infirmature, c'est que c'est Dieu qui veut que nous fassions. Et c'est tellement important. Au moment où quelqu'un de ce soir, sur cette chaise, étant emprisonné, cette fermeture, cet emprisonnement, c'est le péché. <coughs> C'est un péché. C'est le péché qui entend de vous emprisonner. Spirituellement, c'est la même chose que vous vous sentez. Quand vous, et chaque jour, certains moments, vous ne reconnaissez même pas que vous êtes dans le jour. <coughs> Et ces choses arrive, vous ne pouvez pas savoir que vous, vous êtes vraiment sauvé. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette voie soit Dans cette prison, c'est être désolé, c'est la destitute. Il n'y a pas de miséricorde. La vérité, c'est que ceux qui sont, ceux qui sont là-bas en temps de souffrir, <coughs> et ils sont là, ils souffrent. La vérité, c'est que quand vous avez Christ, vous êtes libre de toutes choses. Maintenant, regardez ceci maintenant pour voir Christ, comment Christ va détruire ces barres de votre vie et va, euh, va changer votre vie. Vous sentez le, le regret et vous êtes sans help. Vous êtes maintenant un candidat pour le salut. Il va vous sauver. Il va vous pardonner il va euh, transférer, votre vie de la guérison au nom de Jésus. Ici, il est fidèle. Et ce qu'il a dit arrivera. Car Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver, le, pour sauver eux. Voici le dessus. Tu vois, Paul on dit, j'étais lié. J'étais tellement mauvais. J'étais tellement si bon. J'étais tellement notorieux. Comme un homme violent peut être. J'étais un blasphèmeur J'étais terrible. J'étais le grand, le plus grand, le plus méchant de tous les pécheurs. Si Dieu peut me sauver, alors si Dieu peut me sauver, ça veut dire que les autres personnes qui, qui sont mortes derrière, Dieu aussi me sauvera. Si Dieu peut sauver Saül, ça, euh, il peut me sauver aussi. Tu n'as rien à faire. Christ est le sauveur. Il est venu dans le monde pour sauver, le monde, pour sauver les pécheurs. Il dit dans verset 16, il dit, comment serait-il à ce corps qu'ils ont reçu la miséricorde Souvenez-vous quand il dit, j'ai prié, j'ai payé tant d'argent, Il dit, j'ai fait ceci, j'ai donné ceci, j'ai donné l'argent à quelqu'un, qui est parti à l'école, j'ai donné l'eau à ceux qui étaient, sentaient la soif. J'ai dit ceci, j'ai ceci, ceci. Non, il dit, il faut dire, j'ai obtenu la miséricorde que Christ. Ce que Christ a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, c'est un, modèle. Ce qu'il a fait pour moi, c'est un modèle. Pour un modèle, ou un exemple que Dieu doit suivre. Et c'est ça qui est important. Et en croyant en lui, il va te donner la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. La miséricorde. J'ai dit merveilleux. Tes ennemis verront la merveille de Dieu. Cette maladie qui était là-bas elle va partir et tu vas te regarder, tu vas dire, ah, il n'y a plus encore de maladie, il n'y a plus d'infirmité, il y a euh, la, miséricorde. Ce mauvais esprit qui était en vous, ce mauvais esprit va partir. Et quand ce mauvais esprit va sortir et va regarder et dit, et vit, et vit finalement, finalement, et je ne peux pas, et ce mauvais esprit dit là, je ne peux plus entrer, je ne peux plus entrer. Et vous, toi qui étais dans les le crochet, c'est sympa comme pas combien d'années tu étais en sous ces là tu vas sortir, tu vas marcher et marcher avec Dieu, mais Jésus. Et maintenant, enfin, quand vous allez, quand vous retourné à la maison, te, si tu vas marcher sur, les bâtons bien, tu vas voir que Dieu, va tu, veux marcher. Les gens vont dire, hey, c'est cet homme-là, c'est celui-là, personne. C'est comme, c'est comme, c'est son, ami c'est comme c'est sa euh, deuxième personne non. Il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui marche. Qu'est-ce qui t'a passé avec toi? Qu'est-ce qui t'a passé avec Je suis venu, les merveilles de Dieu m'a touché. Tu vas tourner de ce côté, il y a un miracle. Tu vas devant ici, le miracle. Tu vas de l'autre côté le miracle. Et n'importe où tu es dans cette arena, n'importe où tu es dans ce lieu, et quand nous allons prier et faire la mention du nom de Jésus, le miracle, le merveille va arriver au nom de Jésus. On remercie Dieu pour ce que nous avons entendu. je sais que tu es déjà béni. Voyez deux choses qu'on a se rappeler, qu'on a écouté. Premièrement, croire, c'est de savoir que Christ est capable de nous sauver. De croire en Christ, c'est de savoir qu'on a la vie éternelle. Mes amis, allons-y et continuons à écouter la parole de Dieu. Regardez dans Actes chapitre 2, le verset 22. Actes chapitre 2, le verset 22. Vous les enfants d'Israël, écoutez cette parole Jésus-Christ de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par les miracles et les merveilles et prodiges. Un homme approuvé de Dieu parmi vous par le miracle, abondance et signe. Un homme approuvé de Dieu parmi nous. Cette nuit, il y a des miracles, Il y aura les merveilles. Il y aura les signes au nom de Jésus que Dieu lui a fait pour par lui, parmi vous, comme vous aussi même. Vous, avez ça, vous savez. On a eu certains témoignages. Et ces témoignages, il y a tant d'autres qui vont multiplier dans ta vie. Regardez verset 43 ici, verset 43, verset 43. Il dit dans verset 43, il dit la il dit la, il de, de, il dit quoi la peur venant sur toute personne. Et il y avait des prodiges, des merveilles, de peur paru sur le monde, sur les grands, sur les éduqués, sur les, ceux qui sont éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués, sur les enfants, sur les filles, sur les garçons. De beaucoup de merveilles, de signes ont été manifestés par les apôtres. Christ a fait les merveilles, il a transféré sa puissance sur de ses propres disciples. Et partout où ils étaient, la, les merveilles se passaient. Et partout qu'on se rencontre, euh, on se rencontre au nom de Jésus, les merveilles. Regardez 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 2, lisons à partir verset 8. 1 Samuel chapitre 8, Lisons le verset 8. En 1 chapitre, en premier Samuel chapitre 8, le verset. Il dit, il. Il dit quoi Il. Il élève, les. Il élève les pauvres, il élève les commandeurs ou bien le suppliant hors de la souffrance et il a fait élever plus grand. Il a la puissance, il a la, sagesse, il a la, capacité de rendre tout le monde, le globe, et de, garder, de le protéger. Et le globe en temps de tourner et personne et personne sur terre ne le sache que le globe est en train de tourner, de rouler. Il a cette puissance. Et il a cette puissance mettre sur ces, piliers invisibles. Ce même Dieu même va te relever. Hors du prison, il va te lever. Hors de ta prison, il va te relever. Hors de ta souffrance, il va te relever. Hors de ta emprisonnement, il te levera si tu étais couché là et les, et les, reptiles marchent sur toi et tous ces mess les messagers du diable ont marché sur toi, ils vont sortir de là maintenant. C'est un moment, on remercie Dieu parce que notre moment aujourd'hui est rempli de délivrance. Si tu as écouté vraiment notre message aujourd'hui, tu vas voir que tu, ah, tu, rentres, tu rates beaucoup de choses. Tu ne pas contre Jésus-Christ. Je te supplie de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu peux, dis cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour la parole qui m'a permis d'écouter. Je te remercie aussi pour ta puissance salvatrice, salvatrice. Je prie que tu viennes, me délivre-moi. Je choisis de croire en toi, et toi et toi seul, à la vie éternelle. Amen. Père, Père eh, mes amis, si je suis tellement content de nous rejoindre dans cette GCK eh, au quotidien. Si tu es tellement béni avec ce moment, ce moment, et tu vas, si tu veux recevoir des aides pour marcher avec Christ, ou pour nous visiter sur le lien qui est sur l'écran. Et là, on peut t'aider. On veut écouter de toi. Et on va te t'aider ensemble sur ce voyage de Christ. Ils sont aussi connectés avec nous au travers nos réseaux sociaux. Là, et tu as aussi donné tes témoignages et tout ce que Christ a fait pour ta vie. Et aussi quand vous aussi partagez ces vidéos et soyez avec nous et aussi partagez cette parole ensemble. Je vais voir l'autre étude. Merci.